Nous sommes ici à Tangiem, village natal de l'ancien ministre et homme politique sous Senghor, Émile Badian. Donc, euh, est à 10 km de Bignona, sur la RN5. Nous sommes ici surtout à l'entrée de la fameuse boucle Liblouf, qui est en train d'être euh, réhabilitée entièrement par l'Azeroute et l'entreprise Araski. Où, voilà, c'est sur un tronçon de 14 km. 28 ont été déjà totalement réhabilités. Il y a aussi 43 km aussi qui, vont être bientôt en chantier. Donc, euh, nous sommes avec l'entreprise, euh, l'Azeroute, euh, les populations pour un peu voir, un peu faire le bilan d'étape en tout cas euh, sorte de visite de chantier donc pour voir où en sont les travaux de, réhabilitation de la boucle du Blouf euh, qui est très importante pour désenclaver toute la Casamance. Ingénieur chargé de projet à la direction régionale sud de la Géroute. Je suis chargé du suivi des projets de la boucle du Blouf et de l'ancien au niveau de la zone sud. Et la boucle du Blouf est une route qui traverse euh, plusieurs agglomérations au niveau du département de biona dans la région de Ziguinchor, notamment le village de Tangiem, celui de Djegoun, Kanyabon, Janki, Karchak, et ça se termine au niveau de Koutengor. Donc euh, cette route prend départ au niveau de l'intersection avec euh, la RN5, la nationale 5 qui relie euh, Bignona à Djouloulou et à la frontière gambienne. La boucle démarre au niveau de Tandjem sur la RN5, donc traverse les localités de Djegoun, Kanyabon, Djangi, comme je l'ai dit tantôt, et arrive au niveau de Koutengor. Donc c'est une boucle qui fait environ, qui est divisée en trois portions. Il y a d'abord une portion de 43 km qui a été réalisée en 2007 une portion de 28 km qui a été finalisée en 2017 et enfin une dernière portion de 14 km qui doit faire l'objet d'un bitumage parce qu'actuellement c'est une piste. Donc euh, pour la première portion qui a été exécutée en 2007, elle a accusé quand même euh, une dégradation précoce, prématurée, donc ce qui a fait l'objet de son intégration dans le projet de bitumage qu'on exécute actuellement. Avec le concours du bailleur BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, et l'État. Donc c'est un projet dont le coût est d'environ 17 milliards donc, qui euh, englobe la réhabilitation des 43 km que je viens de citer tantôt, c'est euh, entre Tangiem et Tchongesil, et le bitumage de la piste Koutengor-Balingor qui fait environ 14 km. actuellement, l'entreprise euh, est à pied d'œuvre et les délais de août 2020 sont raisonnables pour la finition de tous les travaux projeté pour cette boucle. Donc euh, normalement, d'ici août, on doit bien terminer les travaux. Cette boucle a d'abord pour vocation de désenclaver la zone. Elle est d'abord euh, facteur de communication entre les différentes euh, contrées rencontrées et aussi ça permet euh, d'écouler l'agroforesterie, les produits de l'agroforesterie. Parce que comme vous le savez, la zone casamançaise est dotée d'une euh, flore boisée. Donc euh, la plupart des, arbres qui sont au niveau de la forêt sont des arbres fruitiers. Donc euh, pendant les périodes de récolte, par exemple la mangue, qui est le produit phare au niveau de la zone, certaines mangues pourrissaient sur place par défaut de moyens de transport. Maintenant, avec la réalisation de la boucle, les euh, les autochtones peuvent faire la récolte, recevoir des acheteurs qui viennent d'autres comtés, surtout du nord, Kaolak, Thiès, Dakar. et ça, ça booste quand même les gains qu'ils avaient auparavant. Parce qu'auparavant, ils ne bénéficiaient pas trop de cette manne, c'est-à-dire euh, l'abondance des arbres fruitiers. Avec la réalisation donc de la boucle, Ceci va permettre un écoulement plus euh, rapide de ces produits. Au-delà de cet aspect désenclavement et économique hein, que, je viens de citer, il y a aussi, euh, ça facilite aussi euh, l'évacuation des, malades, ça facilite aussi, ça, engendre aussi un gain de temps important parce que par exemple là où tu faisais une heure pour toute la boucle ou bien une partie de la boucle. Maintenant, il te suffit de quelques minutes pour, pour, la faire. Donc euh, ça aussi est un gain considérable et un atout du projet. Pour l'axe qui est déjà terminé et réceptionné, qui se trouve être les 28 km de la boucle qui relie le village de, de Balingor au village de Tchonkessil. Là, la signalisation est terminée, aussi bien horizontal que vertical. Comme vous le dites, euh, il y a aussi un enjeu sécuritaire parce que quand même qui dit meilleure qualité du nid, meilleure qualité ou bien meilleur confort euh, de la route dit aussi une augmentation de la vitesse. Donc pour pallier ou bien pour euh, casser ces vitesses extrêmes, à l'entrée des agglomérations, on, fait, on essaie de faire des ralentisseurs pour qu'au moins les automobilistes arrivés au niveau des zones habitées réduisent leur euh, vitesse. Donc on en dénombre une euh, dizaine au niveau des 28 km, essentiellement posés au niveau des agglomérations ou bien au niveau des écoles ou bien CM ou bien cases de santé ou bien poste de santé. Donc il va de soi que pour les deux sections qui restent, c'est-à-dire euh, les 43 km entre Tanjim et Tchonkessil et les 14 km entre Koutengor et Balingor, vont suivre aussi le même type d'aménagement. À la fin du bitumage on va veiller à ce qu'il y ait quand même des euh, ralentisseurs pour que les populations au moins puissent vaquer à leurs occupations sereinement et sûrement. Comme la boucle a été divisée en phases, donc chaque, phase a fait l'objet d'un marché. Donc chaque marché a une durée bien définie. Lorsque le marché est fini, donc on procède automatiquement à la réception. Donc euh, les 28 ont été réceptionnés 2017, depuis 2017. Donc euh, actuellement, elle est sous garantie parce qu'on doit faire la réception définitive qui va être bientôt programmée. Et donc euh, le programme qu'on est en train de dérouler, qui euh, euh, englobe les deux autres sections, va subir aussi le même sort à la fin du projet. Donc on envisage de procéder à la réception provisoire au mois de septembre ou bien octobre. la boucle du bluff, euh, il faut savoir qu'elle fait en tout 84 km. Et sur les 84 km, 28 ont été déjà réalisés entre 2016 et 2017. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est euh, deux tronçons de 14 et de 43 km, ce qui fait en total 57 km. Euh, bon, avec pour ces travaux, on a démarré au mois de mai 2019, mais essentiellement sur les 43 km, entre Tangiem et Tchonkessin. Donc là, on est sur le point, on est sur terrassement échaussé avec la mise en œuvre de la couche de fondation et la couche de base en lettres crue. Donc euh, là, on a déjà fait aussi un revêtement de 6 km entre Tandjem et Djegoum qui est déjà terminé. Maintenant, sur le tronçon des 14 km, c'est-à-dire entre Koutengor et Balingor, là, essentiellement, on est encore sur les ouvrages donc les ouvrages de, traverser, traversée, l'assainissement, les dallos et tout, comme ça. Mais on compte quand même terminer les travaux avant août 2020, Inch'Allah. C'est un délai qu'on va respecter, Inch'Allah, parce que là, toutes les dispositions sont déjà prises, quand même, euh, pour, finir les travaux dans les, dans les délais. En fait, euh, ici, il y a eu, en fait, peut-être euh, la contrainte majeure, c'est en fait le manque de matériaux de bonne qualité, surtout la latérite. Parce que en fait, pour faire une bonne route qui peut tenir pendant des années, il faut nécessairement avoir une bonne oblatérite. Et c'est ça le problème de la basse casemasse On n'arrive pas à avoir une matière de bonne qualité. Ce qui fait qu'on est obligé d'amener la bolalatérite euh, depuis le Djakunda vers, vers vers Djakunda. Donc ça fait une descente de 50 km. Euh, donc c'est essentiellement la contrainte majeure. Mais heureusement, l'entreprise a su mettre en œuvre ses compétences en matière de prospection de carrière et surtout de, de recherche volatile de bonne qualité. Et finalement, on a pu avoir beaucoup de carrières qui répondent aux exigences du marché. Donc c'était ça la principale euh, contrainte, à part aussi, il y a une difficulté qui est liée aussi à, à, la traversée des zones marécageuses. Donc ce sont des zones qui sont inondables et souvent le sol est, est vaseux. Donc ce sont des sols compressibles qui sont susceptibles de botasser très rapidement et souvent ça influe sur, euh, sur la route euh, à très court terme. dans ces zones, ce qu'on a prévu de faire, euh, on a finalement adopté une solution de revêtement en pavé, comme ce que les gens ont fait entre Tobor et entre Tobor et et aussi entre Zigenchor et Kikwa Botanaf. C'est vrai que c'est des techniques nouvelle, on va dire nouvelle, mais c'est ce, que, ce qui est recommandé en fait pour ce types de sol. Parce que ce sont des sols qui sont susceptibles de bouger en fonction du niveau de l'eau. Donc il serait plus adapté d'avoir ce genre de structure-là plutôt que de, faire des structures en revêtement. Souvent quand on a des projets de ce, de ce, genre, tout ce qui est main-d'œuvre, hein, on privilège hein, les populations locales. Euh, surtout au niveau des tâches, parce qu'il y a des tâches euh, comme, la, mise en œuvre de la couche de base qui nécessite une forte main-d'œuvre, ou bien, la pose des pavés, les revêtements en pavés. Ça, ça, sont des travaux qui nécessitent euh, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de main-d'œuvre. Et pour ces genre de, travaux, on privilège en fait, de recruter les personnes qui habitent dans la zone du projet. Mais si on a des, des, tâches qui sont un peu spécialisées, comme par exemple l'encadrement ou bien des ouvriers très spécialisés, là on est obligé quand même de se fier sur euh, d'autres critères. Mais, mais, pour ce qui est de la main-d'œuvre locale, nous on cherche à avoir des, trucs, des, des gens qui habitent dans la zone. Bon, c'est vrai que dans le cadre de ce projet, le Bayer a bien pris en compte euh, euh, tout ce qui est aspect social. Donc, dans ce cadre, il y a, on a prévu en fait de clôturer toutes les écoles qui sont sur le long du tracé. Il y a aussi d'autres programmes qui sont prévus, tels que des programmes de sensibilisation de la population ou bien des enfants, comment traverser la route, quels sont les dangers. Hein, il y a aussi d'autres activités comme euh, parce qu'il y a eu des carrières qui ont été ouvertes lors des euh, anciens travaux. Donc, euh, on a prévu aussi de voir ce qui est possible de faire, s'il faut les reménager, s'il faut les fermer, s'il Voilà, même si on peut les transformer en bassin d'attraction, bien, quest Voilà, pour le, pour Donc, dans ce cadre-là, il y a en fait un budget qui est là, uniquement pour euh, le plan de gestion environnementale et sociale. Donc, euh, on ne on sait pas encore défini clairement, mais pour, mais pour ce qui est des écoles et la fermeture des carrières et le programme de sensibilisation, là, c'est déjà défini. Maintenant, s'il y a d'autres programmes qui, peuvent être, intéressants, comme le reboisement ou bien quoi que ce soit, bon, nous, on, va, on, va, bien étudier en tout cas ce plan-là. Je me présente là, Serigne Malik Diaw, je suis le chef de mission de contrôle hein, et j'appartiens à l'entité appelée SEREC. Hein. donc euh, c'est nous qui avons pour euh, mission donc de contrôler, donc de superviser en fait les travaux qui vont se dérouler en fait au niveau de euh, cette section de route communément appelée boucle du Blouf, en fait qui va de Tandjem en passant par Tionkesil, Elana et ça revient ça ressort en fait sur euh, la RN4 euh, par Cotengor. Euh, notre rôle à nous, notre mission, c'est effectivement d'assurer en fait la qualité donc, de la route. Donc vous savez, à chaque fois qu'il y a un projet de route à construire, il y a en fait une entité qui s'appelle donc entreprise, en l'occurrence ici c'est Areski, et donc une mission de contrôle qui est constituée pour précisément en fait veiller à la qualité donc de ces routes. Bon, pour une route Généralement, ce qu'on appelle donc les cahiers de charge, là, ils définissent dès à présent les performances en fait, à atteindre pour la route. Et donc nous, nous sommes chargés de veiller en fait, à l'application stricte donc, disons, de ces, euh, de ces cahiers de charges-là. Hmm. Bon, c'est pourquoi donc, en fait, euh, en tant que chef de mission, avec mon équipe, là, euh, comme vous voyez, il y a en fait, des géotechniciens, il y a des topographes, il y a des il y a génie civil Donc en fait, il y a toute une équipe là qui est là mobilisée hein, qui, pour s'occuper aussi bien de la qualité donc, des, matériaux à utiliser que de l'exécution, donc la mise en œuvre, donc, disons, de, ces matériaux sur site. C'est ça en fait notre principal objectif. J'ai été en fait euh, précédemment chef de mission dans une section qui s'appelle Blouf euh, 28, en fait, qui allait de Tchonk Essil à, à Balingor. Bon, euh, voilà, c'était déjà terminé depuis 2017, euh, si je ne m'abuse. Là. Et donc, euh, bon, présentement, cette chaussée a été faite hein, et à l'heure actuelle, bon, les gens sont en train effectivement de voir comment faire pour faire une réception définitive. Donc, dans cette lancée, ça nous a permis effectivement de voir peut-être qu'il y avait quelques petites failles par-ci par-là. Et c'est dans donc, l'objectif donc, de les corriger que nous nous inspirons donc, de ce de, cette, ce tronçon qui a déjà été exécuté pour que, en fait, pour celle-ci, que les choses se passent sans pour qu'il y ait aucun anicro en fait, par rapport à la qualité donc, de, l'objet à réaliser. Bon, ben voilà, donc en fait, bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que euh, la Géroute, donc, étant déjà, enfin, c'est eux-mêmes qui avaient exécuté donc, la, première section. Donc, ce qui veut dire qu'ils connaissent en fait très bien en fait le terrain, donc euh, la zone. Bon, le grand problème qui a été décelé ici, c'est qu'il n'y a pas de matériaux, en fait, de euh, donc de matériaux de qualité qui nous permettent d'exécuter la route donc de, depuis donc les terrassements donc jusqu'au revêtement. C'est pourquoi, conscient de cela, on va chercher le bon matériau à 70-80 km d'ici. Hein. Normalement, pour euh, on va à Yakuda, on va à Farniap, on va à Silinkin. Donc euh, tout ça, c'est des, des emprunts où on a découvert un matériau de qualité qui nous permettent effectivement de, de, réaliser cette euh, chaussée. Les populations directement impactées par les travaux déplorent la poussière, se disent satisfaites et prient pour l'achèvement des travaux au plus vite. Ouais, en fait, comme ni nga ko gisee nawet bi dee dégradé wu te en plus depuis bu ma nekkee xale daal nii la mel quoi dañuy ñëw ñu gratter ko après ñu bàyyeet ko ni sans arroser sax après poussière bi day jóg te en plus euh, booy voyager si yoon bi comme jëm côté bii nii day métti trop. La boucle des Kalounaï fait partie d'un projet global qui se trouve être euh, la réhabilitation de la Nationale 4 entre Senoba et Ziguinchor. Donc euh, ce paquet regroupe donc, la réhabilitation d'environ 165 euh, km de route nationale entre Senoba et Umpak, la frontière bissau-guinéenne et aussi euh, la construction ou bien le bitumage de la boucle des Kalounaï qui relie le village de Tobor, euh, Tobor, Djeba jusqu'au niveau de la sortie de la de, Marsas, de, Djeba, c'est ça mène à Marsasum, donc de Djeba, et ça ressort au niveau de la National 4 à l'approche de Django. Donc, euh, comme je le disais tantôt, c'est un, c'est, un projet majeur pour euh, la Géroute qui va engloutir un financement d'environ 100 milliards de francs CFA. Donc, euh, il y a quand même euh, la réhabilitation complète de la nationale, aussi bien au niveau des parties bitumées que des parties en pavé. Parce qu'il y a une section de 11 km qui concerne les pavés de Tobor qui est une casse-tête pour euh, la géroute parce que fortement dégradé par endroit. Donc avec ce projet, on envisage d'en finir avec euh, ce problème pour, pour de bon. Donc comme au niveau de la boucle du Blouf, euh, sur ce projet aussi, il y a un volet aménagement connexe qui est prévu. Parce que c'est bon de faire la route structurante, c'est-à-dire la route nationale, mais il faut aussi faire des pénétrantes de telle sorte que ceux qui quittent les contrées d'intérieur puissent rallier la route nationale paisiblement. Donc euh, il y a un volet construction de pistes qui est associé à ce projet, mais aussi il y a un projet de voirie urbaine qui sera réalisé, un important volet de, de voirie urbaine, notamment au niveau de Bignona, où il y a 8 km de voirie qui sont projetés, 8 km de voirie. Au niveau de Bunkling, et de euh, euh, Medina Wandifa, il y a environ 4 km de voiries qui sont prévues. Donc euh, à la fin du projet, au moins on, a, envisage de booster considérablement la mobilité au niveau même de ces trois villes. parce que quand je prends une capitale départementale comme Boukling, qui est dépourvue de voirie urbaine, il n'y a pas de, de, de voirie urbaine, Medina Wandefa aussi, qui se trouve être un carrefour, ne dispose pas de voirie urbaine. Donc euh, la boucle des Kalunai, qui est une vieille doléance, et jusqu'à présent, les populations euh, croient que ce projet ne va pas être réalisé. Parce que quand même, ouais, pour eux, les gens sont venus, revenus à maintes reprises, il y a eu des promesses et tout. Mais ce que je puis dire là aujourd'hui, c'est que la machine est déjà lancée. Déjà fait l'appel d'offres, on a dépouillé, on est au niveau de, du choix de l'entreprise qui doit réaliser le projet. Donc, euh, on peut croiser les doigts et considérer que les travaux seront terminés totalement au bout de 24 mois, c'est-à-dire, euh, disons, au plus tard, au cours de l'année 2022. Oui, 2021-2022. Donc je me présente, c'est Aboumbaï. Je suis ingénieur chargé de projet au niveau de la direction régionale sud d'Ageroute. Euh, en plus euh, de certains projets euh, de nouvelles constructions, je m'occupe aussi de l'entretien routier. donc pour l'entretien routier, il s'agit de, comme son nom l'indique, s'occuper principalement de l'entretien du réseau classé. Parce que, comme vous le savez, au niveau du réseau routier national, il y a deux classes. Il y a une classe euh, de, routes classées et une classe de routes non classées. Donc nous, à Géroute, on s'occupe des réseaux classés. Au niveau des trois régions administratives que couvre notre direction régionale, à savoir Ziguinchor, euh, Kolda et Sédhiou, actuellement, on s'attelle à renforcer euh, les réseaux structurants. Par réseau structurant, j'entends les routes nationales qui sont fortement empruntées et les routes euh, départementales ou régionales aussi qui le sont aussi. Donc euh, pour l'année 2019, le focus a été fait sur euh, deux routes nationales que sont la route nationale numéro 6 entre Ziguinchor et Cap et la route nationale numéro 12 qui quitte Kolda pour rallier Sejou et se terminer au niveau de la RN4. Donc au niveau de Ziguinchor, euh, ce qu'on a réalisé en 2019, il euh, s'est agi de faire le renforcement de la route depuis Oussi jusqu'au niveau de Ziguinchor sur environ une, linéaire de 40 km. Donc le renforcement consiste en soi à un, euh, boussage des nids de poules, à une correction des flashs observés au niveau de la route et sur ces réparations, on a mis une couche d'enrobé de 4 cm. Donc euh, ceci a l'avantage de rendre encore euh, de la route plus confortable. Donc, euh, et le temps de parcours aussi est réduit du fait qu'il n'y a plus de nid de poule ou bien de flash qui, qui de temps en temps des ralentissements. Sur cette route, on envisage de terminer la section Oussouy-Ziguinchor euh, au plus tard à la fin du mois de décembre 2019. Donc, pour un complément aussi, au-delà au, de le, du renforcement qui est fait au niveau de la chaussée. Il y a aussi un volet signalisation qui accompagne euh, aussi ce renforcement. Donc on va refaire la signalisation horizontale et par endroit aussi on refait aussi la signalisation verticale si c'est nécessaire, surtout au niveau des virages avec euh, euh, la mise en place de nouveaux balises de, nouvelles balises de virage et éventuellement aussi euh, pour la sécurité des édifices publics comme les écoles et postes de santé, on aménage aussi des euh, dodanes. Si le calendrier d'exécution des chantiers est respecté à la lettre par les entreprises adjudicataires, la boucle du Blouf sera entièrement terminée au plus tard en août 2020, tandis que celle des Kalounaï sera réceptionnée entre 2021 et 2022.